ñaari façon sénégalais moy am. ceux qui ont tout à perdre. Mhm. et ceux qui n'ont rien à perdre. ceux qui ont tout à perdre et ceux qui n'ont rien à perdre. waaw bu ceux qui n'ont rien à perdre. Mhm. vont s'attaquer à ceux qui ont tout à perdre. Mhm. dégg nga Ils vont di attaquer ci ci domaine comprends mm-hmm. pour déstructurer la société mm-hmm. ceux qui ont tout à perdre mm-hmm. moi ñi yore xam nga sama casse bi mako mais kenen ki amul casse day bëgg sama casse, toj pour casse pour ñu am day bëgg day bëgg waxal dégg la <laughs> dégg Ousmane Sonko oui dafa war a choisir. Mhm. lan ak lan. xam nga bee poste premier ministre rek fi susoon. waaw ndax xanaa mënul ñoo nag ne euh, waa ji. dàqal maa la faloon wàccal jox ma. mais sañoon na ko de. waaw xam nga loolu mënul nekk. xam naa mi woon ci xol bi. waaw mais constitutionnellement mënul nekk. mënul nekk dëgg la. moo tax mu jël la seule place. Mhm. disponible disponible. muy le post de premier ministre. Mhm. léegi les choses ont évolué. dafa am benn affaire. Mm-hmm. Le Premier ministre, mm-hmm. tu es là, mm-hmm. mais tout ton destin est entre, les, entre le bic et la feuille de quelqu'un. Oui, oui. C'est-à-dire, feuille blanche là. Mon ne le décret, ça. Heure, vous connaissez, vous D'accord mais le décret qui limite le Premier ministre est préparé le même jour. Mhm. Ah, exactement. parce que son nom écrit au crayon. écrit au crayon. Waouh. Mhm. Vous ngi mhm. mais tu es dans le feu de l'action. tu es presque. un président. ndax li nga li mais c'est une situation précaire. très précaire très. ngi la sécurité. de la fonction c'est la fonction de président de la république mm-hmm. nga xam ne même boo demulee élection en Le mm-hmm. président mun il y a gouverner six mois ou 7 mois mm-hmm. <laughs> dégg nga tu baax te kenn le révoqué révoquer élection mais tu es loin de l'action qu'est-ce que tu veux dire par là mais tu es loin de l'action tu ne gouvernes plus Madame, xam nga hmm. président assemblée nationale sax hmm. mu amee activité bu ñu wone ko télé bu dul marathon hmm. budgétaire mën ngaa toog lu yàgg kenn du la wone parce que tu ne gères que les choses protocolaires le président de l'assemblée nationale a été invité voilà reçu en audience xam nga yooyu du du profil Sonko mana man gëmuma ni il va aller à l'assemblée nationale Hmm, Ndeye Fall dina confiner boppam ci primature man pour man laa wax de. Mhm. Sonko va rester à la primature. pourquoi pour être dans l' action. Hmm. surtout que moom li mu réussir si en tant que premier ministre kenn mosu ko am. Mhm. il un cabinet qui gère le gouvernement. Mhm. mooy les référents. yow xam nga si yow yow yow xam nga si lu bëri si référents yi. mais est ce que xam nga ni chaque ministre balaa muy génn bureau. li mu def journée bi yëpp. Mhm. ak li mu war a jot ci instruction yëpp. Mhm. tant que Sonko ko jox ko du wàcc. Mhm. yoo xam ci daal. dëgg la dëgg la. yaa ngi dégg les ministres n'ont plus les coups de France. le le pouvoir de décider non c'est le référent. yaa ngi dégg. te Sonko xam nga dafa comme que dafa muus. il a fait de sorte que les référents. ne soient pas des gens connus ou populaires. kenn du leen xam.

mais yow da doon wax ñun duñu wax ñun dañuy denc. Mhm. waaw ñun ay ay da doon wax. ñun ay ay homme d'état lañu. avec grand âge denc. loo décision loo jël décision rek. Mhm. ah ah la folle yëg na ko. Mhm. dégg nga. <laughs> Ah? xam nañ sax noo la folle nga koy wooye. <laughs> kon hypothèse yooyu moo fi am. waaw pour l'assemblée. ou la primature. Mhm. mais man fu mu ne nii man xalaat sama xalaat. primature mooy yaakaar naa ne day des. day des d' accord. Mm. Addis. Ah, Ousmane Sonko du bouger du paas il